Gloire à Dieu. L'émancipation. Quelqu'un crie émancipation totale, complète, parfaite. Aujourd'hui, dans ma vie, et ça va t'arriver au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir nous te bénissons pour le début de ce moment de déversement de ta puissance ce soir, Seigneur, pour chacun ici, là-bas, en tout lieu, tout le monde, l'émancipation totale pour tout le monde au nom de Jésus. Accomplis ta parole accomplis tes promesses, manifeste ta puissance dans chaque vie ce soir, confirme les miracles dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, comme nous venons à ce début, les choses surnaturelles vont se produire dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle de l'émancipation complète, l'émancipation complète dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans l'œuvre de tes mains, dans ta famille. toujours sera brisé les puissants des ténèbres seront détruites. Il y aura l'émancipation complète, liberté, délivrance, salut, guérison par le regard de la foi. Je vais prendre l'histoire de la Bible et l'histoire est en Nombre chapitre 21. Laissez-moi vous lire l'histoire. Ensuite, je j'apporterai l'interprétation, l'application et la victoire qu'ils ont eue. Tu auras cette victoire ce soir. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de là, de la montagne de Or, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route. ce qui est arrivé à délivrer les enfants d'Israël, comme il va te délivrer ce soir. Ensuite, il les, a embarqués dans un voyage et le voyage les conduirait à la terre promise. Nous sommes en voyage dans notre vie. Chacun est en voyage. Du partant du bébé à l'enfant et aux jeunes aux adolescents, aux jeunes adultes et à l'âge adulte. Nous avançons et chaque année, c'est comme une, comme une pierre est marquée. Vous savez, parfois, nous sommes découragés à cause des choses qui nous arrivent en cours de chemin, dans notre voyage. Si tu es découragé ce soir, si tu es découragé, tu n'es pas seul. Les autres ont été découragés. Mais dans leur découragement, quand nous sommes découragés, nous regardons le soleil dans le ciel, nous regardons la fosse dans les ténèbres. Ils ont choisi de faire quelque chose de mauvais et de dire quelque chose de mauvais. Et le, et le, peuple s'impatiente en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert Où il y a des gens, ils sont plus proches de la mort que de la vie dans leur langage, dans leur réflexion, dans leur manière de faire, dans leur interaction avec les gens. Une petite chose qui leur arrive, ils sont plus proches de la mort par leur langue, par les paroles de leur bouche, qui le sont de la vie. Et ces enfants d'Israël, ils étaient plus proches de la mort. Ils ne se sont pas rappelés en ce moment de ce découragement que Dieu les conduisait à la terre promise. Et toi aujourd'hui, tu penses, tu parles et tu sens un, petit mal, un petit malaise, tu sens un petit débit, mourir, mourir, mourir. Le Seigneur va te garder en vie pour voir la, la vie. Et ils ont dit ici, pourquoi n'avez-vous fait monter hors pour que nous mourions dans le désert car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils disaient que l'économie était mauvaise pour eux. Ils, pensent, ils pensaient à tout. Nous avons perdu même la capacité d'avoir de bons repas comme nous le voulons ils vivaient difficilement. Et le pain qu'ils avaient n'était pas très bon pour eux. Et nous, que disons-nous Par contre, comment pensons-nous Comment pensons, nous parlons-nous de l'économie Comment parlons, pensons-nous à nos problèmes, à nos chômages Ils parlaient contre Dieu. Et ils péchaient contre Dieu et Moïse mais il y a des conséquences pour chaque chose que nous disons. Et on dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'était alors qu'ils se sont réveillés. Ce soir, tu vas te réveiller tous ceux qui se sont attirés sur eux-mêmes, les choses qu'ils ont eu à dire et qui les ont conduits dans la mort qu'ils ont eue, dont ils parlaient. verset 7. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Cela a conduit à un point décisif dans leur vie. Et ce soir, je te donnerai la chance d'avoir un point décisif, un tournant décisif dans ta vie, est-ce que, est-ce que je peux mieux t'entendre Ce soit un tournant décisif dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont vu les autres mourir, les conséquences de ce qu'ils avaient dit. Et tous se sont rendus compte, nous devons faire quelque chose. Notre situation peut changer. Ta situation ce soir peut changer nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et Dieu a exaucé la prière de Moïse. Dieu va exaucer ma prière en ta faveur ce soir. Quelle que soit la douleur, quel que soit le chagrin, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance que tu as. Comme tu es venu et tu désires et tu veux que nous prions pour toi, ce soir, Dieu va exaucer ta prière, ma prière, te concernant au nom de Jésus. Mais vous savez, c'est des gens qui se sont ouverts à la prière. Quand tu t'ouvres à la prière, tout ce que nous disons dans la prière, les miracles viendront sur ta vie. Le miracle vient déjà du ciel et ça va atterrir à ta porte. Ces miracles vont atterrir sur ton corps. Ces miracles vont atterrir dans ton âme. Alors dans le verset 8, voyez le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Ce soir, cela va s'accomplir dans ta vie. Cela va s'accomplir pour chacun de nous aujourd'hui. Quiconque aura été mordu par un serpent et regardait le serpent derrière conservera la vie. Conservera la vie. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Ce soir, tu n'as pas de raison de mourir prématurément. Parce que tout ce qu'il te faut faire, c'est de regarder et d'avoir le regard de la foi. À part de ce soir, tu n'as aucune excuse pour demeurer dans tes problèmes. Tout ce qu'il te faut faire ce soir, c'est de regarder. L'émancipation viendra pour toi. La guérison viendra pour toi. Le salut viendra pour toi. Là-bas, au nom de Jésus. Voyez le verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela Dieu voulait leur donner une image. C'était un symbole de Jésus-Christ le Sauveur Jésus-Christ le guérisseur, Jésus-Christ le libérateur qui venait pour que tout le monde voit pourquoi il a été donc placé sur une perche. Vous voyez, ils étaient des millions de personnes. De ce que nous connaissons à leur sujet, ils étaient environ 3 millions de personnes. Et les serpents et les, la maladie, l'infirmité et les afflictions étaient donc partout. Si ils avaient mis le serpent d'airain par terre. Beaucoup ne le verraient pas. si ils le mettaient à la hauteur, au niveau peut-être de la taille de l'homme, les gens ne le verront pas. Voilà pourquoi ils l'ont et nous ont mis une perche plus élevée que tout homme et tout le monde pour que, comme c'est bien haut, tout le monde, pas de tout lieu pouvaient donc lever la tête et voir. Christ, Jésus, a été élevé au-dessus de tout homme, de tout homme qui ait jamais vécu sur la terre. Il est plus élevé, il est plus grand. Et parce que Christ est élevé comme ce serpent sur la perche, ce soir, tu peux regarder et tu le verras Jésus. Et une fois que ta foi attrape l'attention, attire l'attention de Christ et le sacrifice qu'il a fait pour toi, immédiatement, le miracle du salut te parviendra. Ton miracle de guérison te parviendra. Et la délivrance viendra pour toi et pour tout le monde ce soir au nom de Jésus. Christ est élevé, si élevé, pour que tout le monde dans notre nation ici, tout le monde, dans toutes les nations partout, tout le monde, dans le monde, l'univers entier, parce qu'il est élevé et au-dessus de tout homme, de toute nation, et le sacrifice est accepté par le Père céleste partout dans le monde ce soir. Tous ceux-là qui entendent et tu regardes à Jésus par la foi, le salut te parviendra alors, partout tu es dans le monde, ça te parviendra aujourd'hui. Où es-tu Tu auras ce salut, cette guérison, ce miracle ce soir au nom de Jésus. Alors il a dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque, comme Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. En réalité, cela s'est accompli. Et quiconque avait été mordu par un serpent, quiconque, quiconque, quel que soit son niveau, quiconque, quelle que soit sa culture, quiconque, quelle que soit sa religion, quiconque, tu es cet homme aujourd'hui. Si tu ne t'exclus pas, Dieu ne va pas t'exclure. Il veut que tout le monde vienne il veut que tout le monde ait le miracle que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. J'ai dit, tu vas venir. Garçon, fille, Christ est mort pour toi. Et Christ a pourvu le salut, la guérison, la délivrance, miracle pour toi. Ne t'exclus pas. Ne dis pas, je ne suis pas. Ne dis pas, je ne suis pas ci ou cela. Ce soir, la puissance de Christ, l'autorité de Christ va te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça viendra. On dit, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie tu vivras. Jean, chapitre 3. Lisons ici le verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, il faut de même, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme soit élevé il parle du sacrifice sur la croix du calvaire, verset 15, afin que quiconque, afin que quiconque, quiconque, ça c'est toi, quiconque, j'ai dit ça c'est toi, quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne vas pas périr. Je ne vais pas périr. Tout ce qu'il faut, c'est de regarder à Jésus ce soir, de croire au Seigneur Jésus-Christ ce soir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque afin que quiconque, afin que quiconque croit en lui, croit en lui, ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point. Le Seigneur te regarde et il dit, celui-là ne doit pas périr. Est-ce que toi tu es là? Est-ce que toi tu es là? Le ciel dit que tu ne vas pas périr. Qu'est-ce que toi tu dis Je dis, qu'est-ce que toi tu dis Je ne va pas périr. Dieu dit, tu ne vas pas périr. Les anges te regardent et disent que toi tu ne vas pas périr. Moi je te regarde et je dis que Dieu t'aime. Tu ne vas pas périr. Et nous tous, nous venons ensemble ici et nous te regardons et nous disons, toi, tu ne dois pas périr. Tu dois répéter la même chose te concernant. Christ a pourvu le salut pour toi. Il a pourvu la guérison pour moi. Christ a pourvu la délivrance pour moi. Christ a pourvu les miracles pour moi. Et le ciel et la terre, Christ et le ciel, le Père céleste, disent que je ne vais pas périr. Je ne vais pas périr. Mais qu'il est la vie éternelle mais qu'il est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle au nom de Jésus. Ce soir, ça va t'arriver. Ce soir, ça va s'accomplir. Ce soir, le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. Voilà un, trois points que je vous donne ce soir. Premièrement, la cause et la compréhension des souffrances de l'homme. Pourquoi souffrons-nous Est-ce que nous comprenons pourquoi nous souffrons Est-ce que nous comprenons Est-ce que nous saisissons les raisons pour lesquelles nous souffrons la cause et la compréhension des souffrances de l'homme. Deuxième point, la, la, la conviction et la confession des péchés marqués. Ils étaient convaincus dans leur cœur et ils sont venus et ils ont fait la confession, la conviction et la confession des péchés marqués. Troisième point, c'est la conversion et la cure par le Sauveur miséricordieux. La conversion, cette puissance de transformation, de conversion viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Deuxième point, c'est la, cure, la deuxième chose. Quelle que soit l'infimité et l'affliction et la maladie que tu as. Et peu importe la durée du problème, ce soir, la cure, la guérison, miracle, la délivrance viendra pour toi au nom de Jésus. Amen. Ça va s'accomplir dans ta vie. Premier point maintenant, la cause et la compréhension des souffrances de l'homme. Je vous ai déjà lu l'histoire. L'histoire de la Madone. Ils étaient en voyage. Et Dieu avait une bonne intention pour eux en les, en les faisant sortir et en les engageant dans ce voyage. À cause du découragement, à cause de la fatigue, de la difficulté, à cause de, des choses non attendues. Vous savez, dans la vie, beaucoup de choses se passent que nous n'avions pas, nous ne prévoyons pas, comme les jeunes. Ah, je n'espérais pas ça. Hein en tant que jeune fille célibataire, tu n'espérais pas ce qui est arrivé. En tant que femme mariée, tu n'espérais pas ce qui est arrivé. Et à cause des choses que tu n'attendais pas et pour les ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils ont fait ce qu'ils ont fait et le, résultat de ces choses, la conséquence de ces choses, ce qu'ils ont souffert. Voyons Ésaïe au chapitre 59 verset 1. Esaïe, chapitre 59, verset 1. Voici, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop, trop dure pour entendre. Verset 2. Verset 2, mais ce sont vos crimes, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos iniquités c'est nos péchés qui causent les problèmes. Ce, ce, sont nos paroles, le langage de notre bouche qui cause les problèmes. Ce sont nos actions, nos actes, les actes contre Dieu et contre l'homme. C'est ça qui cause l'affliction et la maladie et les problèmes et les souffrances sur la terre et de vos péchés, vos crimes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3, il dit, verset 3, car vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Je suis que vous comprenez cela. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Vos mains souillées. Ceux qui volent leurs mains sont souillés. Ceux qui fument, ils prennent ça par leurs mains avant de mettre ça dans la bouche. Vos mains sont souillées. Et ceux qui se bagarrent et qui utilisent leurs mains pour faire mal aux autres, vos mains sont souillées. Et ceux qui ôtent la vie d'autres personnes, vos mains sont souillées. Et les choses différentes que nous faisons, qui causent la souffrance à l'homme. Et il dit, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Personne ne peut dire, depuis que tu es né, dans ce monde, que tu n'as jamais, jamais, jamais menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la nation? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une nation donnée? Je suis sûr, rappelez-vous, les mensonges, les, prétentions. Vos lèvres pour faire le mensonge et vos langues, vos langues, votre langue fait entendre l'iniquité. Pourquoi nous souffrons Nos langues sont impliquées, nos pieds là nous allons impliquer impliqués, nos lèvres, ce que nous disons, nos yeux, ce que nous regardons, nos, notre esprit, notre cœur, ce à quoi nous pensons, ce que nous planifions, ils se sont attirés les problèmes. Dieu va nous délivrer ce soir. Toi en particulier, Dieu va te délivrer en particulier. Je me réjouis avec toi ce soir. Tout ce qui est venu sur nous, à cause de notre vie de vagabondage, à cause de nos mauvais actes, à cause de notre souillure, à cause de nos tromperies. Il n'aime pas ce que nous avons fait, mais il nous aime. J'ai dit, le Seigneur nous aime. le Seigneur t'aime, ce soir. ce qui n'aime pas, il n'approuve pas ce que nous avons fait. Mais il dit toujours, je sais ce que tu as fait, mais je t'aime. Et tu ne vas pas périr. Il m'aime. Dis-le non. Non, il m'aime. Et tu ne vas pas périr. Voyons, Jérémie chapitre 5, 25. Jérémie, Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas, pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Toutes les bonnes choses que vous voulez, dans notre tromperie de soi, nous pensons que si je fais du mal, je peux avoir le bien. Comment ça se passe Ça, c'est la tromperie du cœur humain. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, une femme, un homme, un garçon, une fille aura semé, il le moissonnera. Mais certaines personnes pensent, si je me jouais au gang, quelque chose de bon va m'arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si je sème une mauvaise semence, alors quelque chose de miraculeux va venir. Ça ne marche pas comme ça. Si je fais du mal aux autres, si je fais du mal aux gens, alors ils auront tellement peur de moi et ils me feront du bien. Ça ne marche pas comme ça. Nos péchés, nos mauvaises choses, nos transgressions, et nous, cela va nous priver des bonnes choses. Deuxième Deuxième chose. Deuxième point, la conviction et la confession des péchés marqués. Nombre, nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse. Ils ont utilisé leurs pieds et ils sont venus. Ils n'ont pas dit, d'accord, nous voulons pas cacher, nous ne voulons pas nous sauver la face. Si nous confessons que nous avons fait cela, Moïse va se sentir grand et dit, d'accord, je vais prier pour vous. Ils n'ont pas dit ça. Il y a certaines personnes, ils savent qu'ils ont mal agi, ils savent qu'ils ont mal parlé, ils ont la conviction, mais ils se taisent. Personne ne va entendre ça de ma bouche. Personne ne saura que je me sens coupable, que je me sens condamné, que je suis convaincu que j'ai fait quelque chose de mauvais. Ça, c'est pas gentil. Viens. Parle au Seigneur. Il connaît d'ailleurs toutes choses que, tu as déjà fait. Il connaît tout ce que nous avons dit. Il sait partout où nous avons été. Il sait ce que nous buvons. Il sait ce que nous fumons. Il connaît les gangs dans lesquels nous nous associons. Il connaît les choses secrètes de notre vie. Viens. Et après tout, quand tu viens, le Seigneur ne va pas te condamner. Le Seigneur va te sauver. Il va te pardonner. Le Seigneur va changer ta vie et tu deviens une meilleure personne au nom de Jésus. Premièrement, ils étaient convaincus et cette conviction les a conduits à la confession. Attendez, attendez, attendez. Ce mot confession, il y a des gens, ils ne sont pas convaincus de quoi que ce soit, mais la confession est leur habitude normale. Parce que chaque fois qu'ils vont dans la maison d'adoration, partout, en tout lieu, quelle que soit la religion, ils sont habitués à la confession. Oh Dieu Tout-Puissant, je confesse. Ce que, ce que je devais faire, je n'ai pas fait. D'accord Maintenant, c'est quoi la chose en particulier Bon, en fait, c'est ce qu'on nous a dit de dire. Hein. Quand on va dans la maison de Dieu, et ce que je ne devrais pas faire, j'ai fait. C'est quoi la chose Bon, je ne sais pas. Hein. C'est ce qu'on nous a dit de dire. Avant la confession soit réelle, et avant que la concession ne soit réelle, acceptable aux yeux de Dieu, il faut la conviction. Ah, je me sens attristé, la conviction. Je sens que je suis sale. Oh, cette chose que j'ai faite me rend sale. Ça, c'est la conviction. La chose que j'ai faite, et la société m'a poussé à être un homme, une femme de ténèbres. Oh, et j'évite la lumière. Je, je, rejoins une société des ténèbres. Cette chose que j'ai faite, je me suis joint à une, à un club occulte. Papa ne doit pas savoir ça, maman ne doit pas savoir cela. Je suis allé faire ce sacrifice. Maintenant, je me sens coupable. Ça, c'est cette culpabilité. C'est cette condamnation, c'est ce sentiment de tristesse en toi. C'est ce que nous appelons conviction. Et si cette conviction n'est pas là, la main que tu lèves là ne règle pas le problème. Confesser de ta bouche seulement n'apporte pas la solution. Il faut donc la conviction, ensuite la confession. C'est pourquoi le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ils n'ont pas dit, tel tel m'a poussé à le faire. Ils n'ont pas dit, c'est mon environnement qui m'a poussé à le faire. Ils ne sont pas allés dans cette psychologie erronée qui dit l'homme est bon moralement et normalement, mais c'est l'environnement, ce qu'il voit et ce qu'il a des autres, c'est ça qui le corrompt. Non, ils n'ont pas dit, oh, c'est mon environnement. C'est parce qu'il a vu que papa ne faisait pas bien, c'est pourquoi j'ai fait ça. Ils n'ont pas donc euh, imposé leur péché à quelqu'un. Quelqu'un qui a une réelle conviction fera la bonne confession. Et tu viens au Seigneur, tu dis, j'ai péché. Ce n'est pas la faute des pharisiens, ce n'est pas la faute des sadducéens, ce n'est pas la faute des, sacrificateurs, ce n'est pas la faute à ma femme, ce n'est pas la faute à la maman, c'est ma faute. Car nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Prie l'éternel. Vous savez, certaines personnes, quand ils font quelque chose de mal, et ils sentent la culpabilité, ils disent, le temps va régler le problème. Je serai tranquille, je ne dirai rien, je vais continuer à faire d'autres choses, je vais me distraire afin que mon esprit ne pense plus à ce que j'ai fait, pour que mon esprit ne me condamne plus ils disent, qu'ils seront tranquilles parce qu'ils pensent que le temps va régler le problème. Le temps ne va pas te pardonner, le temps ne va pas t'affranchir, le temps ne va pas te donner la grâce, le temps ne va pas te donner le pouvoir de mener une nouvelle vie. ils sont venus pour des prix pour nous. Et Moïse pria pour le peuple. Comme tu viens ce soir et tu dis, je sais que j'ai mal fait. Et pour cela, je confesse ce que j'ai fait. Le Seigneur va te pardonner. Si je parle de toi là-bas, un bon Amen. Psaume 51. Psaume 51, verset 3. Psaume 51. Psaume 51. Verset 5, lui, second. Car je reconnais mes transgressions. David avait mal agi. Et il dit, il n'a pas condamné Bathsheba, il n'a pas condamné quelqu'un d'autre, quelqu'un quelqu'un dans la maison, dans le foyer, il n'a pas rejeté le tort. Oh, ce que j'ai entendu là. Ah, j'ai été déprimé. Quand quelqu'un est triste, il ah, il doit fumer. Quand quelqu'un vraiment passe par des moments difficiles, il doit trouver un moyen de pouvoir vraiment libérer la tension qu'il avait. Non ils n'ont donné aucune excuse, il n'a donné aucune excuse. C'est à cause de ceci, c'est pourquoi j'ai fait ça, c'est à cause de ça que je l'ai fait. Il dit, j'ai, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6, verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal. Voyez cela, ça c'est un homme qui avait la conviction. Son cœur l'a condamné. Son esprit l'a convaincu. Il savait qu'il ne pouvait pas porter cette culpabilité tout le temps sans régler le problème. Vous savez, la conviction, c'est comme un gros fardeau sur ton dos, attaché à toi. Et si tu essaies de courir, si tu essaies de grimper quoi que ce soit, si tu essaies d'avancer, ce poids lourd que tu as au dos va te retenir. Tu peux essayer de sourire, mais ce serait un faux sourire. Tu peux essayer de t'encourager, mais ce ne sera pas vrai. C'est pourquoi je t'appelle ce soir. Viens déposer ce fardeau ce soir pour que ton esprit soit libéré, ton cœur sera libéré, ta vie sera libérée et tout sera changé, sera transformé dans ta vie. Je suis content que tu sois là ce soir. Parce que si tu peux faire ce simple pas et avoir la conviction et avoir la confession, ta vie sera transformée pour le meilleur radieuse et sera plus élevée au nom de Jésus. Il dit, voyez ceci, et j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voyez le verset, verset 7. Voici, il ne disait pas, le pays est pêcheur. Non, non, non, c'est pas le pays, c'est toi. Les gouttes d'eau deviennent grand océan. Les individus composent la communauté. La communauté fait se constitue le pays. Ils sont corrompus. C'est qui les îles là Et toi Ils sont mauvais. Les, les îles c'est qui Et toi Ils sont méchants il. C'est qui est il là Et toi Les petites gouttes d'eau font un grand océan. Des individus singuliers composent le pays. Ainsi donc, l'homme n'a pas dit sont mauvais, ils sont pécheurs, ils sont méchants, n'a pas dit sont corrompus, n'a pas dit sont méchants, ils sont ceux. Il a dit non. Il dit voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché verset 8, verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'isop. Purifie-moi avec l'isop. Est-ce que vous remarquez les gens Quand ils prient, purifie, purge, non de, de qui parles-tu Parle de toi, non Moi, le péché que je, pour lequel je suis convaincu, le péché pour lequel je suis coupable, le péché ou les péchés que moi-même, que j'ai pratiqué, j'ai promu, que j'ai perpétré et j'ai enseigné aux autres, c'est ce que je dois amener devant le Seigneur. Pas moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. Ce soir, tu seras pur. Où es-tu là-bas? J'ai dit, où es-tu là-bas? Ce soir, la purification, le salut viendra pour toi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Une autre, personne d'autre ne peut te laver. L'homme n'a pas appelé un prophète, lave-moi. Il n'a pas appelé un sacrificateur, lave-moi. Il n'a pas appelé un pasteur, lave-moi. Il n'a pas appelé un leader religieux, lave-moi. Il a dit, oh Dieu, tu es le seul. Il ne peut pas laver mon cœur. Il ne peut pas purifier mon cœur. Il ne peut pas me purifier. Seul Dieu le Dieu de la création, le Dieu de la rédemption, le Dieu du salut. Et c'est le Dieu de toute puissance. Il est le seul qui peut le faire. Et comme tu es là-bas ce soir en ligne, comme tu es là ce soir à la radio, à la télévision ce soir, ce soir, ce soir, il va te purifier, il va te purifier, il va te sauver. Verset 10, il nous dit, il prie toujours, et voici ce qu'il veut que le Dieu Tout-Puissant fasse pour lui. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Maintenant, mes péchés ont apporté la tristesse et la souffrance et la tristesse. Si tu me purifies ce soir, si tu me pardonnes ce soir, si tu me pardonnes ce soir, si tu me sauves ce soir, alors il y aura la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront verset 11, détourne ton regard de mes péchés. Efface, purge, purifie, efface toutes mes iniquités. Il le fera. Il va ôter tous tes péchés et même aucun ange ne pourra plus voir le péché. Il va tellement effacer tes péchés, un ennemi ne pour, même Satan ne pourra plus voir ses péchés. verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Quand quelqu'un a le salut, le pardon, la liberté, la purification, les transgressions effacées. Il y a la joie. Et cette joie viendra à toi. La joie. Quelqu'un crie joie. La joie dans la journée, joie dans la nuit, joie. Lorsque même tu quittes ce monde et tu rencontres le juge de tout l'univers, il dira viens, viens, viens. Tu n'es pas un condamné, tu n'es pas une femme condamnée, un homme condamné, tu es un homme converti, tu es une femme convertie, et la joie du salut va te suivre au ciel, devant le trône de Dieu au nom de Jésus. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne après être sauvé, après l'évidence du salut. Soutiens-moi par ton esprit de bonne volonté. Troisième point maintenant, je vous parle de la conversion et la cure par le Sauveur miséricordieux. La conversion et la cure ce soir. Le Seigneur va te convertir. Amen. De quoi la conversion? Quand tu prends des bouts de papier coupés chez l'imprimeur et dit, ah, ces bouts de papier sont inutiles, ces bouts de papier sont sans valeur, ça ne veut rien dire. Ça ne peut rien donner. Jetez ça. Et quelqu'un dit, ah, ne les jetez pas. Et il rassemble tous ces bouts de papier. Il jette ça. Et il les fait passer par une machine donnée et ces bouts de papier sont utilisables, ils sont vendables, ces bouts de papier ont de valeur. Ça, c'est la conversion. Une vie inutile. Dieu va prendre cette vie inutile ce soir et il te rendra utile. Une vie complètement rabaissée qui n'avait aucune valeur. Le Seigneur va saisir cette vie ce soir et il va te brosser, il va te laver, il va effacer toutes les transgressions de ta vie et il va te recréer. Il y aura la conversion et l'homme qui est assis là-bas, quelque chose de bien viendra. Une nouvelle femme, une femme renouvelée viendra de cette personne qui dit, j'ai gaspillé ma vie, j'ai gaspillé mon temps, et je n'avais plus de valeur, je ne peux rien faire. Viens à Christ ce soir. Cette vie inutile sera utile. Le progrès dans ta vie, la puissance dans ta vie, une nouveauté dans ta vie. Tu vas encore gravir les montagnes de joie, de bonheur et de succès dans ta vie au nom de Jésus. Rends-moi la joie, de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Non seulement cela, il nous guérit également. Est-ce que vous avez entendu parler de ceux qui ont parlé dans notre histoire en nombre 21 Ils étaient mordus et ils étaient malades. Ils avaient des douleurs dans leur corps. Et quand ils ont levé les regards vers le serpent sur la pêche, comme nous levons les yeux vers Christ au calvaire. La guérison viendra ce soir. Donnez-moi un bon Amen. Afin que la guérison de Dieu soit définie et certaine dans ta vie au nom de Jésus. La conversion. Le salut, premièrement, la guérison ensuite. Euh, miracle de guérison pour toi. Miracle de délivrance. Euh, ça vient sur ta vie. Cela est arrivé à d'autres et ça va t'arriver. Est-ce que je peux te donner des témoignages de ce que Dieu a fait aux autres? Il fera dans ta vie. D'accord Laissez-moi voir ceux qui veulent écouter, je ne vais pas vous raconter l'histoire que vous ne voulez pas entendre. Si vous ne voulez pas écouter, je ne vais pas vous raconter. Si vous voulez écouter l'histoire, de témoignage des autres, qui sera répété dans ta vie, où es-tu Amen. Amen. Vous savez, nous avions organisé cette euh, croisade mondiale et le Seigneur fait vraiment des choses merveilleuses. Je ne peux pas penser à ah, quelque chose que Dieu n'a pas fait. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les sourds et muets, il a fait marcher les paralytiques, il a amené ceux-là qui ont les os brisés, se lever et marcher. Il a restauré le foie, les reins de plusieurs personnes et ils ont été totalement guéris. Laissez-moi vous deux aujourd'hui et je vous en parlerai demain. Amen. Il y avait cette femme. Dans, notre, dans la ville capitale au Nigeria, la ville d'Abuja. Elle s'appelle Esther. Elle avait un AVC. Et l'AVC était là depuis longtemps. Elle ne, elle ne pouvait rien faire. Ayant l'AVC, nous avons organisé la croisade. Elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit mets la main là où tu as le problème, lève l'autre main et c'est ce qu'elle a fait. Et après la prière, au nom de Jésus, la puissance de Dieu est venue sur elle. Elle s'est levée. Aujourd'hui, tu peux te lever. Laissez-la raconter l'histoire elle-même. Esther, raconte-nous l'histoire. Je remercie Dieu pour m'avoir donné une autre chance. Le cas d'Esther, ma jeune sœur, est étonnant. Et je peux dire que c'est vraiment un miracle non mérité. Le 22 mai, un dimanche, elle est allée au lit comme tout le monde. Et le lendemain, vers 1h du matin, elle s'est réveillée. Qu'elle était paralysée. Les mains, les pieds. C'était une expérience amère. Mais à la gloire de Dieu, le, la croisade passée, la délivrance surnaturelle à travers Christ, j'étais au bureau. J'avais beaucoup à faire au bureau. Mais d'une manière, les gens se sont connectés à la maison. Et quand le pasteur partageait des témoignages et on suivait à l'écran, tout d'un coup, ma fille a demandé à ma soeur de, prier de 5 ans de se lever. Elle a commencé à prier de lever la main. Et tout d'un coup, elle a pu utiliser la main. Elle pouvait bouger. Elle a, elle, a ouvert la porte. Elle s'est levée. Ça, c'est le Lève la main. Parce qu'un mois passé, elle ne pouvait plus rien faire, tout le temps couché. On devait l'aider à tout faire. Mais cette nuit-là, pour la première fois, et c'est comme ça, je suis allé au lit. Moi seul, je me suis lavé. J'ai bu l'eau de mes propres mains. Et je suis là pour rendre, toute la gloire. En réalité, je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. C'était vraiment embarrassant. Je rends gloire à Dieu parce que c'est un, une miséricorde imméritée. Elle n'est pas membre de l'église. Au moins, elle était malade. Je ne pouvais pas dire qu'elle était dans le Seigneur. C'était dans cette crise. Vous voyez comment elle a la solution maintenant. C'est un miracle de miséricorde. Amen. Miracle de miséricorde. C'est ton tour ce soir. Je cherche la personne dont je parle là-bas. J'ai dit, c'est ton tour ce soir, au nom de Jésus. Maintenant, tu dois écouter ceci. Ceci, il était un herboriste. Qu'est-ce que j'ai dit Herboriste. Et il pensait qu'il faisait quelque chose aux autres. Mais, quand son problème est venu, il n'a pas pu s'aider lui-même. Jésus, vous avez entendu ça avant. Je veux que vous l'entendiez encore. Dis, je vais écouter encore. Et finalement, cette croisade a été organisée et il s'est connecté et le message, avec la puissance, est entré dans son cœur. Alors, le miracle a eu lieu, comme ça va t'arriver ce soir. Et tous les gris-gris, tout, ce qu'il utilisait, il a tout brûlé. Laissons-le raconter. Monsieur Anthony Ogolo. Écoutez-le. Je suis de l'état de Nogu la croisade que la vie profonde organisée, les trois jours là, Dieu m'a arrêté dans ta maison, oui, dans ma maison. Je suis un, herboriste. Je fais gris-gris. La croisade est entrée dans mon corps. Là où j'étais. Quand je me répandais pas répandu, je me dérangeais. Je ah, donc cours une heure, deux heures. Je ne laissais pas les gens dormir. Je dérangeais les gens. Ce qui savent, le diable, il fait n'importe quoi. Mais depuis que Dieu est entré dans mon cœur là, depuis que Dieu m'a arrêté là, oh, je suis calme maintenant. J'ai brûlé tout. J'ai tout, tout brûlé. Quand je faisais, ma femme et mes enfants, et tous ont fui. Ils ont quitté ma maison. Quand je me suis repenti, quand j'ai connu Jésus maintenant, quand je me suis repenti, tout le monde est revenu. Toute ma famille est revenue, gloire à Dieu. Pasteur Koumoui, n'arrêtez pas ça. Hein. Cette croisade-là, que vous avez commencé, ça aide tout le monde. Et c'est à cause cette croisade, comme moi je me suis repenti, j'ai donné, ma vie. Je me suis repenti, j'ai tout brûlé. Pasteur Koumoui, que tout le monde écoute la croisade que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont le connaître. Amen. Il nous appelle que nous ne devons pas arrêter la croisade. Pour que toi-même, ta famille, notre pays, notre continent et le monde entier connaissent Jésus-Christ le sauveur, le guérisseur, le libérateur, celui qui accomplit les miracles. Vous savez ce qu'il nous dit dans l'histoire que nous lisons en Nombre 21. Il dit dans le verset 9, on dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque ce soit dans ta vie, ça va s'accomplir. Dans ta famille, ça va s'accomplir. Dans la vie de tes enfants, ça va s'accomplir. Ce soit miracle. Ce soit salut. Ce soit guérison. Ça va s'accomplir. Et quiconque avait été mordu par un serpent, euh, quiconque, et regardait le serpent des reins, conservait la vie. Et ce soir, comme tu regardes à Jésus, et tu as les regards portés sur Jésus, tous tes péchés seront effacés. Toutes tes maladies seront ôtées. Rappelle-toi, une fois que tu as la conviction, et tu viens en toute sincérité, et tu dis, au oh Seigneur, je suis le coupable. J'ai dit, j'ai fait, je suis allé, j'ai fait, j'ai fumé, j'ai bu, j'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. J'ai la conviction et je me sens coupable. Et tu fais la confession au Seigneur. Et tu le regardes, tu le contemples. Le pardon viendra. Est-ce que tu es prêt pour cela, pour ce pardon? Est-ce que tu es prêt pour ce pardon? Et quand Dieu te pardonne, il va t'affranchir la puissance pour mener une nouvelle vie viendra pour toi. Après que Dieu pardonne ces gens et guérit ces gens, ils n'ont plus continué à parler mal contre Dieu. Les choses qu'ils ont, qu'ils faisaient par le passé, pardonner ils étaient affranchis. Et c'est le salut. Et ça va t'arriver ce soir au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? Il a dit, où es-tu là-bas? Gloire à Dieu, ça vient pour toi. La tête baissée, les yeux fermés. Tu sais que le pardon est disponible en Christ ce soir. Le salut est disponible en Christ ce soir. Partout où tu es, tu lèves ta main et tu dis, je veux ce pardon, je veux qu'il efface toute ma culpabilité, tous mes péchés. Je me sens coupable. Les choses que j'ai faites, et je veux être libéré. Je vais te pardonner. Lève simplement ta main. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pardonné, purifié, et les péchés seront effacés. Si tu lèves la main et, tu confesses ces péchés, et tu veux t'en détourner, et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera ton sauveur ce soir. Partout où tu es, lève ta main et lève-toi là où tu es. Que Dieu te bénisse là-bas. Le pardon vient pour toi maintenant. Partout où tu es. À gauche, à droite, devant, derrière, au milieu, derrière. Partout où tu es. Dis Seigneur, je suis coupable. Je sais que je suis un pécheur. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas me tromper. Je suis un pécheur. Et je veux le pardon du Seigneur ce soir. Lève simplement la main partout tu es, partout tu es. Tu écoutes à la radio, ou bien tu es à la télévision, ou bien tu es en ligne, partout tu es, n'importe quel pays, et tu écoutes ce message, et tu dis, voici ma nuit de salut, la joie. Dieu te donnera la joie du salut, la paix qui vient avec le pardon et la réalité de ton nom écrit dans le livre de vie au ciel. Comme tu te lèves, parle au Seigneur. Pardonne-moi. Seigneur, je suis désolé. J'ai fait ce que je ne devrais pas avoir fait. Je crois que le Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. Et je viens pour ton pardon, ta miséricorde, ton salut maintenant. Je crois que Jésus est mort pour moi et il ressuscita pour mon salut, pour ma justification. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je crois, ça ne te prend pas assez de temps. Le Dieu de miséricorde, a, a, tu as reçu la miséricorde au salut. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui ont été convaincus de leur péché, qui ont confessé leur péché, qui t'ont demandé que tu effaces les péchés, la purification et le salut dans le royaume. Je prie Accorde-leur ce salut maintenant au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés. ôte le souvenir de leurs péchés, de leur vie, de leurs yeux au nom de Jésus. Donne-leur le pardon et la paix dans leur cœur, maintenant même. Seigneur, donne-leur le pouvoir d'avoir une nouvelle vie, une vie changée, pour qu'ils ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils donner une fiche à remplir. C'est pour, euh, pour attester que tu as donné ta vie au Seigneur et qu'il t'a donné son salut. Je vais prier pour la guérison après, mais avant ça, finissons avec nos conseillers. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une personne très importante. Et tu as pris la meilleure décision de ta vie. Et tu as donné ta vie au Seigneur. C'est un nouveau départ, un départ, un début glorieux. Ce soir, donne tous les renseignements sur toi-même. tu as fait le bon pas qui conduit à la joie éternelle dans toutes les informations nécessaires. Nos conseillers vous le demanderont. nous aidera. En prenant les non-informations, c'est pour vous aider aussi par la suite et vous aider davantage. C'est un voyage. C'est une décision qui vous conduira au niveau suivant. Il y a la joie au ciel à cause de la décision prise ce soir. Les anges se réjouissent. Et tu peux imaginer ce que ça veut dire. Euh, le ciel se réjouit à cause de la décision que tu as prise. Tu ferais mieux donc de nous donner les informations demandées. Nom, prénom bien connu, numéro de téléphone, Donner les vraies informations correctes. Tu es une femme bénie, heureuse. Un garçon béni, une fille bénie. Tu veux être en ligne. Vous êtes déjà en ligne à la radio, à la télévision. Il y a un lien pour vous qui êtes en ligne. Connect, avec Christ. Cliquez dessus. Et il y a euh, un formulaire qui va s'afficher. Et vous allez remplir Nous voulons vous aider. Nous voulons faire partie de votre histoire. Se connecter à Christ. Faites de vous une nouvelle créature. Vous avez une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Je vous envie. Parce que votre vie sera belle à partir de ce soir. Soyez les bienvenus dans le royaume. Vous êtes à la radio. Vous, suivez à la télévision. Vous nous suivez par Zoom, YouTube, Twitter ou l'un des réseaux sociaux. Vous êtes très important pour nous. Donnez votre vie à Christ. Faites de vous une personne très importante. Soyez les bienvenus dans le royaume. Ensemble, vous allez changer notre monde pour Christ conseillers partout. Occupons-nous maintenant des nouveaux convertis. Les miracles viennent bientôt. Si vous croyez, Amen. Vous savez quoi? Vous pouvez commencer à prier. Vous qui n'êtes pas concerné par les conseils, mais vous êtes déjà croyant, vous êtes venu, mais vous avez un problème. Vous pouvez commencer à prier. Vous êtes en Russie, en Afrique, dans le monde entier, partout où vous êtes. Les miracles viennent pour vous. Très bientôt. Préparez-vous pour ça. Conseillez. Continuez et faisons vite. Et nous autres, soyons en esprit de prière. Préparez-vous, votre miracle vous parviendra. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends encore plus 234 91 54 44 92 63 ou bien les numéros qui vous sont communiqués ou bien que vous voyez sur l'écran si vous suivez la télé ou bien si vous écoutez la radio ils vont vous communiquer des numéros appelez-les pour partager l'expérience la décision que vous avez prise pour Christ ce soir Prenons le temps de nous occuper des nouveaux convertis et prenez toutes les informations requises. Nous ne pouvons pas négliger ceci. Ils sont très importants pour nous. Donnez tout vos détails, votre numéro. Christ va vous visiter régulièrement. C'est une nouvelle famille désormais. C'est une famille de Jésus. Tshiseke est une marque mondiale. Elle va toucher votre vie. Elle vous connecte à Christ. Ça parle en disant que c'est l'évangile à toute la créature. Prenez toutes les informations ton heure a sonné. L'homme de Dieu revient. L'autorité de Christ vient. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. La conversion et la cure. La conversion a déjà lieu maintenant. La chose suivante, c'est ta cure, ta guérison, ta délivrance, ton miracle. Lève-toi partout où tu es. Si tu n'arrives pas à te lever maintenant, après le dernier Amen, la puissance de Dieu va te toucher. Et tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Rappelle-toi, il a fait tout sortes de miracles pour les autres. Et pour toi, ne sera pas une exception. Quel que soit le problème que tu as, enflement au ventre, au cou, éléphantiasis, cancer, ulcère, aveuglement, paralysie. Quel que soit le problème, la maladie et le mal, le Seigneur va te toucher maintenant. Partout sur ce lieu, partout, à la radio, à la télévision et ceux qui sont en ligne. La puissance de Dieu sera libérée sur vous maintenant. Si vous êtes à l'hôpital et vous êtes connecté, le Seigneur va vous toucher. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le mal, la maladie et le défi. Là où tu sens le problème. Et au dernier Amen, tu verras le miracle. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu ne peux pas faillir. Tu as dit au le nom qui a été donné à Christ, au nom au-dessus de tout nom, et à la mention du nom de Jésus, tout genou va fléchir au nom de Jésus. Et je prions que toute maladie incurable, toute oppression, toute attaque, toute affliction fléchisse à la mention du nom de Jésus ce soir au nom de Jésus. Seigneur, commence ton œuvre sur chacun. Miracle pour chacun. Guérison pour chacun. Délivrance pour chacun. Confirme-le au nom de Jésus. Cette folie, cette insanité, problème de cerveau, soit guéri au nom de Jésus. Goitre, hernie, fibrome, éléphantiasis, tout enflement, tumeur dans le corps. Seigneur, je prie, miraculeusement, touche-les maintenant, délivre-les, guéris-les au nom de Jésus. Maladie intérieure, interne, VIH-Sida, tuberculose, cancer, ulcère, problème de foie, problème de rein, saignement, touche chacun maintenant. Miracle de guérison, miracle de délivrance pour tout le monde au nom de Jésus. Maladie incurable de longue durée, ce qui est impossible aux hommes. Mais avec toi, tout est possible. Atteins-les maintenant. Touche-les maintenant. Relève-les maintenant. Seigneur, cette maladie incurable soit guérie au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, même s'ils sont nés de cette manière, mais ils sont venus à cela. Seigneur, je prie. Ouvre les oreilles bouchées. Délie les langues liées. Miraculeusement, commencez à entendre. Miraculeusement, commencez à parler. Au nom de Jésus. Ceux qui sont aveugles, quelle que soit la raison de l'aveuglement, de la cécité, je prie Seigneur, touche les yeux aveugles. Yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts et commencez à voir au nom de Jésus. Balayez leur vue maintenant, qu'ils voient clairement. Seigneur, je prie que ceux qui sont couchés, désespérés, ou bien sur les béquilles, ou bien sur dans un fauteuil roulant. Je prie que ta grande puissance recrée les maintenant et que la puissance, la force, la capacité de se lever et de marcher, fais-le dans leur vie maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Maintenant, partout quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du problème, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Seigneur, manifeste-le maintenant. Ça va s'accomplir, que cela s'accomplisse. À droite, à gauche, devant, derrière, devant, au milieu. Seigneur, que cela s'accomplisse à la radio, à la télévision, en ligne, partout, dans toutes les nations, dans toutes les assemblées. Miracles, manifestation, accomplissement, que cela s'accomplisse. Et comme nous ouvrons nos yeux, nous ouvrons nos yeux pour voir les miracles partout au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Examine-toi maintenant. Le miracle est là.